Euh, mais, man, euh, j'aimerais bien mhm. lui, poser une, toute première question. Tout à fait. Euh, quand il parle d'audace, d'audace de, s'engager, mhm. faut-il avoir de l'audace pour s'engager ou bien il faut... Pourquoi en fait C'est quoi le sens de, du titre de ce, livre-là L'audace parce que, enfin, vous m'avez question, moi, quoi. mais parce que les Japonais, euh, dans le contexte sénégalais et africain d'une façon générale. ils ont des éléments qui ñuy wër day dafay tax que ni mhm. donc du ñu am euh, du ñu di mhm. voilà bu ñu bëggee dara sax est-ce que dina marché. Mhm. on doute. Et, euh, donc voilà, nous avons c'est très important, nous avons un mot qui est assez fort, qui parle aux jeunes, et puis parce que justement on parle aux jeunes sénégalais. Moi, hein. des mm des euh, parce que aduna bi aussi li kay doxal yépp ku ñëmé rek moko doxal. est-ce que du lolu également bokul ñun gis nga Jean-Yves suñu société africaine yi dañ la naan euh, non borom karaw bu ñuul warul yakamti da nga wara xaar donc on a un peu yenn yo xamantene suñ ko mag euh, suñ ko moñalé on n'ose pas donc on dit c'est seul euh, soné ke xalé mhm. yu bëri. Euh, so màggee genre société yoy une ko def am audace bi tu te dis que ça peut-être c'est réservé aux adultes or par exemple euh, pour les gens qui ont eu la chance de sortir de l'église peut-être ailleurs très tôt à 18 ans même tu peux créer ton entreprise tu peux t'engager dans la politique tu peux faire plein de choses donc euh, le titre me paraît très intéressant par rapport à ce contexte africain là. Oui, ouais, clairement parce qu'en fait après nous, xam nga mm-hmm. expérience que c'est Mm. même s'ils partagent ces expériences, bingo, nga en fait et ñun loolu moo nekkoon objectif bi effectivement quand tu vas en Europe aux États-Unis da vois gis ne nit ñi dañuy pas xam nga euh, da ngay gis boo demee les politique bi gouvernement yi xale yu ndaw ñoom 30 ans ñoo fay peut-être Afrique c'est un peu compliqué mm. da vois, gis entreprise yi ñu créer même euh, peut-être fi ñu toog ni technologie bi ñu wër mm-hmm. ne serait-ce que Facebook Mark Zuckerberg bi mu créé étudiant la woon donc euh, tes livre bi ñu ngi commencé par faut dafay wax ne l'audace donne du génie mm-hmm. maanaam boo ñemee dara rek boo koy songu enfin ça xel dafay commencer match quoi di am émulation nga mën avancer si li ngay créer donc voilà titre bi dañ bëggoon vraiment euh, mu nek lo xamné ça parle manam nit ñi ñun ñeme investir juk dox ay djégo man dama joggé Louga Njàmbur la joggé te Serigne Sambay day wax naan mm. lu yomb euh, boo nekkee yaafus doo ko sumbu te lu enfin lu metti plutôt lu jafé voilà soo nekkee yafus doo ko sumb mm-hmm. te lu jafé nak ku ragal du ko sumb <laughs> donc fa nga ñeme mm-hmm. donc tout ça ça rentre dans le titre l'audace donc de s'engager pour une citoyenneté pour euh, les causes publiques di wax di si parce que l'autre, hein. c'est comme li de def Wartan mhm. waxtaan wane ñuy liggéey et cetera etc. Euh, c'est aussi ça se construit sur le dialogue. Mhm. Former, ou entrepreneuriat etc. très bien bah, man va bëggoon après euh, un peu plus dans les dans les détails euh, cette invitation en fait cette invitation à la jeunesse de. de s'engager. Parce que, euh, il faut de l'audace, il faut oser. Mhm. mais, mais d'abord, euh, est-ce que les Japonais du problème éducation peut-être le nous am en en Afrique c'est-à-dire que quand je parle d'éducation moi éducation à se lancer à prendre ses responsabilités tôt parce que que euh, en Europe. 18 mhm. euh, ans déjà on t'invite à quitter la maison. tout à fait familiale Notre mhm. dem appartement ta vie en main Fille 18 ans la mhm. donc est-ce que nous avons du blocage déjà là on parle de sociologie un peu donc mm-hmm. yow sa avis lan la. waay enfin c'est que xam nga société yi am na yenn aspects yoo xam ne dañuy mënoo ko comparer trop le système européen ak le système africain. Mm-hmm. wala Sénégal et France parce que aussi dañu n'ek à des années de lumière en termes de développement en termes de réalité. Mm-hmm. mais am na loo quand même lu baax la loo xam ne mën ko jël lu tubaab naan benchmarking nga ne ok damay dem France wala damay dem ailleurs ah. lan moo fa baax lu ma mën a jël implanté ko Sénégal contextualiser ko. te effectivement tout revient à l'éducation, parce que ñun suñu éducation lu si bëri lu bien la mais lu si bëri. Nous avons une responsabilité, responsabilité am autonomie mhm. d'ailleurs dans nga koy xool yi ñuy jël ñun bi France Nous nga que nous sommes ñoo gën am ñeme gën a osé ñoo ñi réussir professionnellement dans le contexte français Nous sommes plus timide parce que par exemple à 18 ans da ngay au Sénégal 19 ans bac donc nous avons une responsabilité c'est vrai donc généralement jusqu'à 18 ans même ñun sommes hein, ah Monotogu, togu mono mono def dara. Mhm. alors à partir du moment où tu foules le sol français. bu ñu la yóbboo résidence universitaire wala nga jël sa appartement. yaay togu, sa y yaay togu yaay y yaay ballet. <laughs> et donc loolu choc choc lay doon un choc frontal. donc duñu la si mës préparer D'ailleurs, ce qui est un peu anormal je trouve góor ñi duñu leen préparer si loolu. jigéen rek la def les tâches ménagères. vrai et à partir du moment où le garçon se retrouve seul. donc fay am responsabilité yooyu te yooyu. Mhm. mën na tax des fois ba des fois ñom pour ñu réussir ñen ñi c'est un peu difficile. Mhm parce que da ngay enfin en face de toutes ces réalités on te prépare pas donc le lieu de revenir à l'éducation on te mm. prépare à l'autonomie parce qu'effectivement bah, le jeune français à 18 ans bah, il sort d'un Danemark limite mu Sénégal, au Sénégal est au Sénégal donc effectivement tout revient à l'éducation et je pense que c'est important qu'on responsabilise les jeunes mm-hmm. ñuy ñeme du Dougou parce que fille d'un jusqu'à 35 ans tu es chez ton père limite ah. tu as am c'est non c'est pas des choses qui t'aident ah. parce qu'à partir du moment où on te laisse même à 30 ans sortir aller à fatigue, quelquefois tu as des problèmes et pourtant tu as 30 ans enfin 30 ans tu dois pouvoir te débrouiller donc Lolo, aussi ça ne facilite pas effectivement ah. cette euh, prise de responsabilité très tôt mm-hmm. chez nous les Africains au mm-hmm. Sénégal non mais c'est ça pour voilà c'est-à-dire que euh, déjà pour dans ta vie sociale. C'est difficile qu'on te laisse prendre tes responsabilités, encore moins beaucoup de responsabiliser aussi yeneen. lu jëm euh, la gestion de la cité et on va revenir sur ça tout à l'heure on va on va cinq minutes rapidement parce que c'est très intéressant de ce euh, maintenant je à vous le laaj Ce mm, mm, mm, contexte particulier nga gis ni war que ouvrage bu mel lan incité en fait à sortir cet ouvrage là alors, ce qui m'a inspiré, dans mon d'ailleurs avec un ami, Abdallah Faye, merci au passage. Oui, c'est vrai que c'est bon à, Voilà, donc on l'a coécrit ensemble hein, en, février 2020. Alors, l'union motivée, c'était très simple. En février 2020, il y avait le coronavirus. Tout à fait. en plein centre de Chine continentale, notamment Wuhan. Donc, le 4 février 2020, bon, le président de la République avait fait une allocution en disant que les Sénégalais, on ne peut pas les rapatrier. Mhm. L'idée est partir de là. Alors qu'au même moment, il y avait les Marocains, les Mauritaniens, etc. qui rapatriaient les gens. Mhm. Nous, on était en France, on était super euh, voilà, cloîtrés, deux ah. mois, personne ne sort de chez toi. Donc, Chine, les jeunes disaient, bah, nous, nous sommes au Sénégal. Mhm. en Afrique, les pouvoirs publics, enfin, plutôt au Sénégal, les pouvoirs publics, non, nous sommes et donc, moi, dans la société, nous dit non, mais c'est très bien, on les laisse là-bas. Et je me suis dit, mais elle est où la solidarité Elle est où l'esprit euh, <laughs> l'esprit teranga Il y a beaucoup qui sont au Sénégal, c'est pas parce qu'ils ont fait Bref, l'idée est venue de là on avait lancé une pétition. Donc j'ai lancé une pétition qui avait quand même euh, atteint près de 3800 personnes. Parce que Sénégal, depuis New euh, le Conseil économique et social, de faire une réforme. C'est-à-dire que pétition, ça a eu à 5000 signataires. Nous avons déposé au niveau du Conseil mhm. économique, social et environnemental. Nous avons avis de l'Assemblée nationale et on étudie la, question. Donc moi, je me disais, pétition, c'était de dire bah, les pouvoirs publics sénégalais, le président notamment, il faut qu'on rapatrie ces Sénégalais qui veulent revenir au Sénégal. Mm-hmm. Et, finalement, ça s'est fait Ça s'est pas fait parce qu'on était à 3800, on n'a pas atteint 5000. Voilà, parce que pour encore au niveau du Conseil économique social, il fallait qu'on atteigne 5000. et donc l'idée voilà, est venue de là. Donc quand j'ai vu que lance ses pétition, il y avait des réticents, des Sénégalais disaient non, mais on les laisse là-bas. Je dis, mais l'esprit de solidarité, Teranga, hospitalité Sénégal, mm. Enfin, elle est où, quoi mm-hmm. Bref, donc, faut le juger. Mais cette réticence, et bien, l'idée de d'écrire est venue de là. OK. Mm-hmm. Et donc, euh, à préciser, euh, c'est euh, un livre qui a été coécrit. Oui, avec Abdallah Faye et on va dire deux jeunes Sénégalais partis de l'aventure. On rappelle que lui, il sort de l'université Charanta de Dakar à la faculté de droit. C'est en 2014 qu'il s'est rendu en France et puis euh, ci ce parcours nous un peu faux faire parce que inspiré na la ci lu euh, livre b on a on a là Jean-Yves un jeune bi comme tout Sénégalais qui rêve d'aller <laughs> étudier en France mais dem fa euh, yow comme Abdallah Faye teewul j'ai fa l'envie de réussir parce que euh, bi voilà en un laps de temps même je vais dire euh, tu as pu non seulement te former mais dem euh, créer sa entreprise boo est c'est basé à Lyon n'est un peu dans la consultance et même Abdallah Abdallah Faye qui est également dans mm. on va dire même à instance de décision fait chez France alors comment ça s'est passé un peu ce parcours fait? alors ah, Abdallah on a un peu un parcours bu xaw a mhm. parce que voilà ñu ñaar ñëpp science politique Donc, on donc commencé à l'université université Cheikh Anta Diop mhm. euh, science politique y a une discipline qui est y importante. sa trop et comme on disait il y a une université la mhm. science politique mène un peu à tout et même le droit aussi parce que le droit a commencé même science politique deuxième troisième année donc voilà en ce qui me concerne euh, donc voilà science politique après je suis parti à Bordeaux foofu laa ensuite voilà diplômé de sciences politiques en licence ensuite euh, NAC. Euh, à la base nous avons une thèse doctorat la parce que suis may au Sénégal je suis damay ñëwaat fii jàngale. en ah, comme professeur. comme professeur. Mhm. parce que bon nous ces professeurs nous l'ont inspiré. tout à fait et puis voilà ça me plaisait beaucoup les études de droit et de sciences politiques. les grands de la de la de la faculté. voilà et puis de rendre un hommage à nos professeurs qui nous inspiraient beaucoup notamment Aline Badere Diop. Jam des agrégés de sciences politiques. Mhm. bref donc du coup euh, après Bordeaux euh, donc j'ai eu ça ok diplômé de sciences politiques mais il fallait s'insérer professionnellement parce qu'après, le doctorat aussi réalité bi je suis cas de France a amul bourse ba nga nekk di mat doctorat donc c'est compliqué et professionnellement c'est compliqué nga am voilà des financements mm-hmm. et à un moment donné les études aussi sciences politiques c'est assez théorique voilà une théorie mais pratiquement nga monde dara ligué, d'une enseignante pour les jeunes mm-hmm. qui font ça hein. au Sénégal mais lan ngay mën une entreprise et que tu fais des études de sciences politiques ñu jox un ordinateur ba lan ngay Donc de mm-hmm. donc dafay théorique donc le monde avancer donc je me suis dit bah il faut que me dugg dans le monde des entreprises donc faut faut duggee nag dem jàng lu ressources humaines. Mhm. Les ressources humaines sont c'est voilà un domaine stratégique. Mhm. tu es au cœur de l'entreprise transversal aussi. voilà mhm. tu as une visibilité sur euh, comment on gère une entreprise. comment elle se déroule. Il y a les salaires de tout le monde. il y a recrutes de tout le monde. il y a des plans de développement de compétences intégration et et que euh, je jàng après nag di ko liggéey si côté. Euh, ba am une expérience bu de et puis, bon, j'ai créé ce cabinet de conseil. Mhm. Bon, un pied en France, aussi au Sénégal, mhm. avec une petite équipe, parce que c'est une micro-entreprise aussi, il faut le dire pour l'instant. Mhm. Mais voilà, sous nous. d'ici voilà. ok très bien. Notre Notre nous euh, invité tay bi vraiment dañu gis il a plusieurs casquettes. Mm-hmm. et de façon de ci parce que on a on a on a on on pas eu le hein vraiment. <laughs> alors dañuy euh, xuus toujours ci son rayon de soleil. xam nga rayon de soleil ça su ne rek émission bi mooy émission bon on apprend beaucoup de choses mais c'est décontracté quoi c'est mm-hmm. tranquille xam nga et puis on a des invités qui sont qui sont classe qui sont qui sont bons. Euh, c'est maison d'édition euh, Armata. Mm-hmm. Alors, l'Armatan, c'est une grande maison d'édition, elle est plus à présenter. Tout à fait. Euh, parce que nous avons vraiment, nous avons des petite édition, nous avons euh, livre. Euh, pourquoi on choisir cette maison d'édition C'est parce que tu as été en France ou Alors, je choisir parce que déjà, elle est implantée au Sénégal. Mhm. Bon, après Armatan, la maison mère, elle est à Paris. Mais au Sénégal, voilà, le docteur Abdoulaye Diallo, mon fils Oubi, ben maison, et effectivement, comme Ninga ça participe beaucoup à la production littéraire. Parce que Mignot, en 2009 ou 2008, il me semble, il y avait un peu une carence en termes d'édition. Je pense qu'inspiré de nous, nous commençons à une maison d'édition, de participer à la création littéraire et artistique. Mais l'État Armatandal, première chose, dans au Sénégal, bah, de choisir une maison d'édition pour le Sénégal. Le moitié Les peut-être n'ont pas mais Diapounane dina participer à la sauvegarde de la maison voilà loolu au et puis deuxième chose bi que euh, c'est une maison internationale Ce uh-huh. ma publier Dakar mais ni est publier à Paris parce que le livre en en instantané il est disponible sur Paris aux États-Unis Vous ma demee internet il faut que nga mënti nekk mm-hmm. donc voilà mais la première chose c'était en termes de on va dire de patriotisme deuxième chose parce que c'est un truc international mm-hmm. et qu'on peut choper le livre on pas tout dans le monde. super ma belle, la Binta parce que a beaucoup de questions à te poser. <laughs> peut peut-être, ça va être dernier tour bu des def livre parce qu'il y a d'autres euh, aspects également très importants à la hauteur entrepreneuriat formation mhm. on, va y revenir mais en parcourant le livre on voit que très souvent Jean yves pour toujours inciter euh, les jeunes des vrais ay exemple pour toujours voir une bonne gouvernance. Je vois que vous avez même évoqué la révolution Torodo de Tcherno Suleiman Bal de 1776. Mhm. Donc, bataille euh, pour dire que si nous avons il y a des exemples jeunes, même euh, on peut s'inspirer de ça. Ah, mais clairement, parce que Tcherno Suleiman Bal, c'est un précurseur dans la bonne gouvernance au Sénégal. Ça -hmm. C'est-à-dire que nous, effectivement, Afrique, comme nous c'est Égypte, tes Cheikh Diop nation nègre et culture effectivement Égypte est avec l'antiquité enfin c'est vraiment antique Le bëri ci Afrique qui est retrouver à l'Égypte mm-hmm. en tant que berceau de l'humanité mais bref si je reviens à Thierno Souleymane Baal oui mm-hmm. je voulais le citer mm-hmm. parce que tu as wax les euh, xam nga dafa am ci àdduna surtout si réew Afrique banque mondiale les institutions de Bretton Woods mais banque mondiale le fonds monétaire international dañu teg ay règles ne réew yi nekk ci Afrique sow jant surtout si ñu bëggee développer dafay am ay principes de bonne gouvernance yoo xamante dañ ci sukkandiku bi ci njëkk moy dañu wara nek nekk réew yuy garantir bonne gouvernance donc bonne gouvernance di impliquer transparence manam buñu dire la responsabilité nga jubal ah responsabilité bu y amé té yow si sa responsabilité la nekkoon nga wara démissioner démissionner bàyyi xol di garantir aussi état de droit mm-hmm. donc nous, lañu japp né dal li buñ ko doxalé rek Afrique wara jëm kanam effectivement boy xol aussi Afrique de l'Est nos plus grandes problématiques c'est résumé à la bonne gouvernance mm-hmm. donc les publiques, publiques, etc., état de droit et mais avant ñoom Thierno Souleymane Baal da ko waxoon. ci mhm. sunu ci sunu culture. donc ben exemple bi ci kii rek danaan euh, booy fal ku nekk imam wala en tout cas tànn leen ki gën a màgg. Mhm. voilà ki gën a xam-xam affaire du ay ndono mhm. su naree nekk. bu amee ñoo xam ne dañ ko bëgg defee fi ndono ngeen écarté leen bref voilà le moo taxoon ñu ñëw si pour wane effectivement ñun am nañ culture boobu et qu'il suffit peut-être euh, de s'y conformer pour nous nous à avancer ce avancer sur nous. très très bien alors l'audace de s'engager à vraiment découvrir et on rappelle que euh, le le mercredi je pense ce sera à Louga. Inch'Allah. Bah, là, je vais vous présenter parce que dans def léegi Abdallah book tour malheureusement il ne pourra pas être là physiquement parce mhm. que pour des contraintes professionnelles. Mhm. mais euh, donc dañu demoon euh, lancer Lyon. Mhm. lancer aussi Paris septembre dernier mais on se disait bah en dernier lieu il faut venir au Sénégal parce qu'on parle du Sénégal Et moi, au Sénégal mm-hmm. et moi, au Sénégal nag Louga laa jóge naam juddoowuma fa mm-hmm. mais xam nga foo def sa parcours enfance rek xam fa sa xarit yi faire fa fa diplôme avant d'aller à l'université. Mm-hmm mën naa ni foofu nga donc moi, je préfère dem Louga pas Dakar parce que ñëpp dañuy def à Dakar je dis non là il faut que ñu dem Louga <laughs> donc on sera à Louga mercredi prochain incha mhm. pour en parler avec nos xarit nos parents et nos professeurs quoi mm. man nous na ma interpellé mhm. euh, ni koy ngay euh, avancer rapidement on va nous ma interpellé en fait euh, bi ngeen def présentation livre bi et aussi tamit nous retrouver dans le contenu moi da ngeen wax passage bu ma interpellé mhm. vous dites la jeunesse et coupable en même temps victime mm-hmm. Mm-hmm. waaw ce que na lu en fait développé un peu par rapport à ce ce ce thème là alors dañuy euh, effectivement parce que a da si ñëw lu mais li ñu remarqué c'est dañuy dans ce livre là à une implication de la jeunesse Madame génie, il faut ñu nous di dox ay jéego bañ di forcément les petits états. Mm-hmm. à partir du moment où nga am une expertise Cette expertise nous nga ko monnayer naam dina difficile parce que Rokhaya Diallo ben franco-sénégalaise da doon wax ci terrain bu mu euh, ne reste pas à ta place. Mm-hmm. et comment arriver là où personne ne vous attendait madame. place bi nga xam ne ni nit ñi dañu jàpp ne fa nga juddoo. bul fa toog. Mm-hmm. demal ci place bo xamante ne nit ñi xaaruñu la fa woon. Mm-hmm. mais effectivement lool pour mu am nak il faut que contexte social bi ngay dund mën la ko permettre. parce que nee bon vouloir xam nga Sénégal dañ naan vouloir c'est pouvoir manam so bëggee dara rek mën nga ko mais ce n'est pas forcément vrai parce que le nga bëgg dara mais contexte bi évolué socialement économiquement et politiquement mën ne ko pas permettre. bëgg dem <laughs> voilà donc pourquoi ñu la jeunesse est coupable donc bu ñuy que la jeunesse est impliquée etc. mais coupable parce que aussi les moyens d'information sont, disponibles. Vous avez une jël application bu TikTok. Mm-hmm. tey li les moyens d'abrutissement ci africains ils la des ñoo ils fecc. ñoo ciy way mm-hmm. ñoo danse. C'est un challenge. Si soo commencé wax lu xaw a sax ñu mature. waaw ah, kenn du C'est sax. Ah, ah, donc on est coupable parce que les moyens d'information sont là Nous, via mon cabinet de conseil nous lancé un recrutement Sénégal. Mm. mais il suffit de lancer un recrutement nga xool nit ñi ni ci offre d'emploi. Mm-hmm. D'où la bête ci beaucoup de jeunes bu ñu amul mm-hmm. parce que techniquement et professionnellement ils se préparent pas pourtant ils ont un doctorat wala ko master 2 mais vous répondre sur offre d'emploi, non mais c'est n'est pas possible Qui n'allait me répondre ci offre mais ni. façon bi muy répondre mais problème là. problème la problème bi la formation et que les jeunes aussi en tout cas la plupart mhm. dañuy xaar lépp ci seen ay prof wala ñu si aussi duñ def effort parce que effort bi ngay def tey maîtriser TikTok Sauf ko defee ne serait-ce que pour maîtriser comment répondre à une offre d'emploi via YouTube. bind CV lettre de motivation. mais y' a beaucoup de jeunes au Sénégal mënuñu la defaral CV. et ça et ça genre Yves si TikTok boobu ñuy nekk mën nga ko fa jàngee. ci Facebook mën nga ko fa partout. mais ne serait-ce que faire un CV c'est très simple. Moi, nous, ñun on a un pôle. Euh, mhm. Ashura académique. Mhm. du coup on def des formations sur la pratique et l'insertion professionnelle. donc beaucoup de ces ci aussi aussi au Sénégal parce que dañu doon développer ay cours en mhm et donc, bëggoon faire le dernier cours en présentiel avec mhm. parce que ce qu'on fait en ligne c'est intéressant mais nous, on en présentiel gis wax ak donc c'est ce mhm. qu'on fait là dans la semaine. voilà et parlons de ça Nous euh, bëggoon aussi parce que le cabinet offre des séances de de de coaching Nous nga a jeunes nous avons Jean-Yves nous avons ñu former dans l'entrepreneuriat par exemple aussi nous leen di dimbale un peu pour peut-être ceux qui rêvent d'aller un jour en France euh, comment ils peuvent s'insérer facilement peut-être tax euh, dans de bonnes conditions mën nga effectivement mais pour finir ces gens, ils sont coupables. on est coupable parce qu'on ne va pas à la source de l'information. information. Mhm. information tey loo bëgg a jàng si le même ce professeur bloque la ko c'est internet victime. victime ba parce que nak, dañu am ay pouvoir public ont, et la société ñoo aussi war préparer nous, mhm. war ñu aussi mettre dans des conditions optimales de réussite. Donc, nak bon bu ko ben on est victime. de ces pouvoirs publics là qui manquent quelquefois d'ambition et de vision. Mhm voilà si je peux le résumer maintenant pour revenir à ta question aussi très rapidement effectivement liggéey bi def mooy que ne man dama jàpp ne man bi may Sénégal je me rappelle dama defar sama CV wër Dakar déposer stage mosuma am mhm. mais xam naa peut-être anam ba ma ko doon defaree moo baaxul parce que dem naa ba troisième année mosuñu ma jàngal noo bindee CV mosuñu ma ne boo bëggee liggéey tey boo gaa nii ngay def bu ñu la yóbboo si entreprise jox la ordinateur pour nga manipuler ko nii la mhm. bref donc ñuy def des formations sur la pratique et l'insertion professionnelle parce que Sénégal nous jàngal lépp mais duñu ñu en tout cas ñu en bëri nan ngay amé xey ak sommes amé xey noy def ba top même entretien d'embauche bi sax. duñ la ko jàngale dafa am nokay dafa am donc du coup sur ces modules là yi nga xamné dañ koy développé trois modules principalement le développement personnel la maîtrise et l'insertion du monde professionnel sénégalais et l'entrepreneuriat donc nous ñëw sur euh, surtout en tout cas c'est des cours pratiques parce que beaucoup bëgguma di def théorie c'est intéressant <laughs> mais il faut que je yi finalité bi ñi jàng yépp c'est pour am bien sûr boo nekkee université école bon mënti nekk li ngay viser moi après insertion professionnelle mm-hmm. mais nous leen jungle comment s'insérer professionnellement et loolu lañ lay de di développer mm-hmm. de ci aussi via notre pôle formation quoi mm-hmm. Binta mu doon euh, lu am solo waxtaan bi nee na waaye waxtu waa taw waaw mu ngi dab en tout cas alors sur suñu dernière rubrique euh, rapidement

quand on est de Louga c'est ça. Ouais, waaw yaakaar naa ne mais baat ba non tu déçois là tamit. et toute la confiance a avait si de. yoo parce que. Ah. sama sama sama sama sama mbokk mi nga xamante moy Binta mom tamit njóobeen la ah. bo xamante vraiment <laughs> léeg tam nga yaakaar ko si batu wolof yi waye do xam dal mom fu mu jaar. non mais mais bii euh, voilà. choker sa choker choker cokkeer booy choker je pense dina nek pentaat wala nat waaw piccu àll waaw moi, moy perdri parce que nat nat moy nat moy dafa naa naat mooy pentade pentade ah, d'accord euh, donc choker moy perdri parce que y a la perdri mhm. y a la pentade y y a beaucoup de variétés y en a beaucoup donc pour dire que cokkeer le réer moromam peut-être pour dire que peut-être qui se ressemble s'assemble et que c'est facile si nous n'est mariés aux mêmes choses c'est facile de, de, se, de se retrouver mm-hmm. mm. je veux dire ça c'est Jean et voilà <laughs> bien résumé en tout cas alors euh, di fàttali toujours que ñu ngi suñu invité Bocar mhm. Fofana mhm. moom mi génne livre euh, boo xamante ni mu ko commencé bind en 2020 euh, mhm. donc mon nekk suñu invité malheureusement nag je pense qu'on a fait un peu le tour ah. mais rapidement xanaa rek bàyyil le cadeau. gi bu dee xëy na dafa am dernier message pour vous lancer et au passage aussi di fàttali ni livre bi mu ko en co euh, encore co-auteur ak nga euh, Abdallah Faye Abdallah Faye moom la donc. Euh, écran bi. Mhm. alors euh, Bokar. peut-être un dernier mot, un dernier message. Bah, merci à vous. Hein. C'est vraiment le dernier mot. Merci à vous de m'avoir donné cette opportunité. Nous avons Sénégal, nous avons livre, nous avons affaire mhm. Et puis moi, ça fait 5 ans que je suis au Sénégal. Donc, ah. c'est plein d'émotions. Nous Dakar, nous au Sénégal. Euh, voilà, donc remercier bah, une maison d'édition, Armatan, pour faciliter euh, tout ça. Mhm. Et puis euh, remercier nos parents, Nini Setan, voilà, tout le monde. Et, dites-nous, où est-ce qu'on peut se procurer ce livre également Alors, nous à Armatan. Mhm. Voilà, Armatan, c'est une Armatan, facilement. D'accord. Et vos différentes plateformes digitales, parce que la formation se passe également là-bas, et sa chaîne YouTube pour les gens. Oui, sur ma chaîne YouTube, Sunugal Sakana noonu laa Sénégal mm-hmm. Mm-hmm. revenir un peu sur les enjeux publics mm-hmm. voilà euh, voilà une plateforme web euh, média et sur Facebook c'est où sur Facebook euh, si son tour LinkedIn mais principalement dans le Sénégal. dans mes maisons d'édition je pense c'est VDN Non, non, je parle plus de, la science, les séances de coaching, tout ah, pour suivre. En ah oui, oui. Bon, via notre site web, euh, ah www.humanresourcesadvising.com. Voilà, sur, euh, on est sur Instagram, sur Facebook. sur LinkedIn. Très bien. Voilà, sur TikTok. Parfait. Et le livre euh, est disponible à la maison d'édition Armatan Sénégal. L'audace de s'engager.

Eh. prépare yu ok. merci beaucoup Jean-Yves un plaisir de toujours partager le plateau avec toi et merci à notre invité c'est toujours également un plaisir un honneur de recevoir des jeunes yo ils ont quelque chose à dire. Or, le service public, c'est pour ça. C'est pour permettre, bien sûr, à ceux qui ont quelque chose à dire pour le développement de notre pays, euh, pour ce euh, New euh, jeunesse que nous consciente, Donc, merci encore une fois à toi. Et Très bien. L'audace de s'engager avec Bokar Fofana et Abdallah faille donc un livre à retrouver donc euh, à l'Armatan, la maison d'édition L'Armatan, Fiti Dakar. merci à Boka, merci, d'avoir répondu à cette invitation. Merci à, Binta, mhm. qui malgré le le poulet de était vraiment a euh, assuré ce lundi. C'était pas évident. J'avais peur de ne pas la retrouver. C'était compliqué. Parce que voilà, c'était compliqué, mais ah. euh, voilà. C'est un plaisir aussi hein, de partager le plateau avec toi. Mm-hmm. Alors merci à toute l'équipe qui a aidé à la réalisation. Euh, c'est bon de s'engager, mais aussi c'est bon de se dire au revoir. Mm. On va donner rendez-vous demain, Inch'Allah, pour un nouveau numéro de Rayon de Soleil. D'ici là, bah, portez-vous bien. Prenez le temps de vous amuser, prenez le temps de, de, de enjoy life. Euh, enjoy Et puis euh, voilà, n'hésitez pas. On se retrouve donc demain. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je rappelle que nous sommes euh, sur Facebook, n'est-ce pas, Binta, et aussi sur RTS de Sénégal. Nous sommes aussi sur Canal Plus. Oui. Le canal 215. Et la TNT, TNT, canal 5 de la TNT. Et nous sommes également sur YouTube. Et puis on a l'application RTS pour suivre toutes les chaînes de la RTS. 1, 2, 3, 4. 4 5, c'est en direct euh, via l'application Facebook, euh, l'application RTS Sénégal. Très bien, Alors, à demain.